c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cet espace dédié aux jeunes. De Bangaisa da fatan alheri zuwa ga amunamu masu sha'awar wannan shirin. Yau dai ga mu zamu unguwar ou encore CG 14 de Niamey da zamuna mais on n'a pas pu gérer l'ambiance donc on s'est réfugié vraiment dans une classe pour pouvoir continuer cette émission. Avec à nos côtés des élèves de tous les niveaux, 5e, seconde, première, des candidats euh, au bac qu'on remercie aujourd'hui pour euh, avoir utilisé leur précieux temps pour être à nos côtés sur cette émission. To wata oku bayan an kammala karatun bana iza su shiga hutun Noel wato congé a turanci. Yau mun leko mun ga tahiya da matsayin karatun nasu après ce premier trimestre. Le dimanche 2 octobre 2022, à la veille de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, dans son message, disait que pour bien débuter cette année scolaire, le gouvernement a joué pleinement sa partition en s'acquittant de ses devoirs régaliens, à savoir les affectations des enseignants intervenues depuis le mois d'août. À la on papote avec les élèves et leur qui est aujourd'hui avec nous. Merci, Monsieur le censeur pour en savoir plus sur le niveau d'exécution du programme et le déroulement de cette année pour ces jeunes élèves. 35 minutes de débat, de rubriques, musique et de chroniques. Top, c'est parti Lundi 3 octobre 2022, ce sont quelques 4 millions d'élèves, 101 892 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire qui ont repris le chemin de plus de 22 500 établissements scolaires, tant publics que privés, repartis sur l'ensemble du territoire national horo Année académique 2022-2023, niveau d'exécution du programme et état d'esprit des élèves. On en parle avec Issa Abdoulaye, censeur ici au CG14. E Bonjour monsieur et le boulot. Le boulot, ça va On s'accroche, c'est pas facile. Oh. Ben On a vu. Facile. Vous l'avez vu <laughs> Merci d'être là avec nous. Nous avons Abdelkader Amadou, il est en terminale A. Ça va Kader Ça va, alhamdulillah. Tu vas bien À cette fois-là, nous avons Rafat Souley, elle est en seconde A. Ça, va, Rafat Ça va, Tu vas bien Alhamdulillah. Yakaratou Ouais, ya de dama. Ok. Nous avons avec nous Raouda Abdoulaye, elle est en sixième B. Ça va Raouda Ça va. Tu vas bien Oui, je vais bien et vous Ça va Yakaratu, Danama Eh. Ok, super. Avec nous, Boubacar Moumouni, il est en Terminal A. Ah, ça va, Boubacar Ça va bien, madame. tu vas bien Ça va, Dieu merci. tous à la fada. Nous avons Rafiatou Ilbas. Elle, elle est en terminale A également. ça va Aujourd'hui, on est entouré de littéraires. Hein? Uh-huh. C'est bien. <laughs> C'est ça, ouais. On passe directement à la première question. Dites-nous comment se passe votre année scolaire. Quoi on est à Tchikin Agenchi Il y a une communauté à tu vas me dire comment se passe ton année ça va ça va bien ok et euh, qu'est-ce que vous venez de finir là vous avez fini les compositions c'est ça devoir devoir oui ok et ça s'est bien passé pour toi oui ça avait, ça avait bien passé ça s'est bien passé oui on va venir vers la seconde ça va Rafatou Tant. Bana. Ça va, Alhamdulillah. Pour le moment, Alhamdulillah. Ça hmm. avance très bien. Les cours il n'y a pas de perturbation. Ça va, ça va bien. Ok. donc, Karatou yanzu vous êtes à quel niveau? Ana a cewa program qui qui nous ga tahiya dai. Wallahi yana il y dai wallahi. Hmm. Mun kusa on est un peu loin même, ça va. Ok. On avance bien. C'est bien. Nous avons donné un samari. Abdelkader Oui, pour le moment, pour le moment nous n'avons mhm. pas eu de perturbation parce que, comme vous l'avez dit, le ministère a pris en charge toutes les mesures qu'il faut. Oui, le programme s'avance. ça Nous avons fait les devoirs il y a presque un mois de cela. Hmm. Donc, merci. Ok. oui pour le deuxième devoir il faut le retour de congé Ok. effectuer le deuxième devoir hmm. oui donc comment ça va oui ça va comme pour un début nous pouvons dire que ça va c'est un début, donc nous, allons attendre voir qu'est-ce qui va se passer après. Oui, après les notes, nous allons déduire quoi. Asi anga on Oui. monsieur le censeur, kunjinet alban naku, tchade que ça va, ça va, ça va Toi, yani, ça va ah, C'est bon Oui, ils ont raison, ça va. OK. que euh, vous l'avez dit, euh, le ministre a vraiment euh, tout mis en place pour qu'il y ait une euh, très bonne rentrée. Mhm. Euh, la rentrée s'est effectuée euh, normalement. Les enseignants vont à leur occupation, les élèves sont là depuis la rentrée, donc tout va bien. ils ont reçu le matériel de travail. en tout cas, pour l'instant, il n'y a eu aucun problème pour le déroulement du programme. ça c'est super star kenan muna iya bana dai karatu ya fara da kyau kuma yana tafiya daidai haka ne ko mai le sansuwa eh haka nan ne har mm. ka banan ga karatu ya banan ga karatu ya fara daidai yadda ake so ah, tunda kayan aiki an kawo shi tun kama ah, lakol ya shiga kuma yanzu gashi nan mushanni da yara suna nan ah, babu perturbation babu babu babu, babu matsala ok kai mu taba a nan ga to yanzu zan zo ka tambaya ta ta biyu lekur zan mu zo wajen karatun naku Rafiatu. to vraiment babu rotar ko ina abin da zan iya cewa shine vraiment de mon avis le cours passe très bien et le programme je crois bien que à travers les autres établissements mhm. ina iya cewa ana tahi daidai mm, kamar yadda na gani da kuke tahi mm, da kingin ba ku da rotar par rapport aux autres Ah, ah. ok babu rotar D'accord, super. Je vais passer à ma troisième question. Chaque année, justement, tout à l'heure, on parlait, il y a des revendications, euh, vos besoins et tout ce que vous voudrez améliorer. un membre du bureau, <laughs> Par rapport à vos revendications, vous en êtes où Bon, concernant les revendications, ah, eh, mhm. oui, Boubacar Moumouni vous parle des revendications qui ont été passées par l'ISN DSN, ils ont demandé l'électrification des classes, les mises en place des bancs et les, fournitures aux besoins des élèves pour bien dérouler les études. Mm. Donc, yanzu abun da za mu ce dai yadda muka gani shekaran ga tawara abu ne za mu ce da esn ba ta samu ministère, ba da 'yan minister tunda in mun hidda eh, za su kira mu ko yau ko goban a zo a tammana da a samu kwanciyar hankali mm. da ekol ya ta yadda ake so wajen revidin kasuwan dai ba mu ga matsaloli yanzu dai c'est des mm. les commémorations des fêtes, les décès qu'on va seulement et ce sont déjà des jours qui sont décrits dans la liste des calendriers. bon, on peut dire à cette allure-là, on peut pas avoir des perturbations. Ok. Donc, on va poursuivre cette émission, mais avant cela, on va faire un tour avec la rubrique cross de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses amis jeunes, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la rubrique rose. Le froid pointe le bout de son nez. Dans la rubrique rose de ce samedi, nous verrons plein de bons plans pour prendre soin de vous. En astuce cuisine avec moi Bibi, on parlera de boissons chaudes pour se réchauffer pendant le froid. Puis dans l'espace santé et bien-être, nous allons parler de crevasses aux pieds. Et enfin avec moi, nous verrons comment bien prendre soin de ses pieds les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Ruki qui revient là. Aujourd'hui, nous allons vous parler de crevasses aux pieds. Avec la saison froide qui s'annonce, il n'est pas rare de rencontrer des gens dans son entourage qui souffrent des pieds fendillés. Alors, j'ai fait des petites recherches sur le net qui m'ont permis de vous éclairer sur le sujet. Nous allons d'abord parler des causes de crevasses au talon. Le manque d'hydratation de la peau est l'une des principales causes d'une peau sèche. Le talon forme d'épaisses zones de peau rugueuse pour se protéger. En conséquence, la peau n'arrive pas à se régénérer correctement. Au début, la peau fissurée n'est qu'une petite plaie, mais elle peut rapidement devenir douloureuse. Lorsque les crevasses au pied ne sont pas bien traitées, elles peuvent provoquer des saignements et des douleurs dues à la pression. D'autres facteurs peuvent provoquer une peau crévassée, tels que le surpoids, le diabète et j'en passe. Les maladies chroniques de la peau, comme le psoriasis, peuvent aussi provoquer une peau crévassée. D'autres éléments peuvent être responsables des crevasses de votre peau, telles que les conditions intérieures chaudes et sèches, ou une exposition à un climat froid. Je vous laisse avec Fanta qui va nous dire comment soigner justement les pieds. Coucou les filles, alors avec moi aujourd'hui nous allons voir comment bien prendre soin de ses pieds un must aussi pour la saison froide qui s'annonce. Pour cela, vous aurez besoin de l'eau chaude, ni trop tiède, ni trop brûlante non plus, de deux gros citrons qu'on va découper en morceaux, d'un verre de vinaigre blanc, d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Donc on mélange le tout et vous trempez vos pieds pendant au moins 20 minutes tout en frottant de temps à autre avec votre pierre de ponce. Ensuite, on passe au gommage maison pour les pieds. Donc pour l'obtenir, on ajoute deux cuillères à soupe de miel dans trois cuillères à soupe de sucre brun, de préférence ou bien du sucre blanc. Donc vous enlevez vos pieds de l'eau, vous faites un petit massage avec le gommage pendant au moins 5 minutes et vous rincez le tout. Donc pour terminer, vous appliquez du beurre de karité sur vos pieds. Et voilà, c'est fait. On passe à la cuisine à présent, amis jeunes, avec le froid. S'il y a quelque chose qui fait du bien, c'est aussi une tasse de thé ou de tisane bien chaude. Et il est possible de varier les goûts en ajoutant des plantes aromatiques, des épices ou encore des fruits. Dans la rubrique de ce samedi, nous verrons quelques ingrédients à privilégier. Pour le thé, privilégiez le thé vert. Le thé, de manière générale, constitue un soutien de choix pour contrôler les effets du froid. Riche en antioxydants, le thé permet d'éviter les baisses de régime et réchauffe votre corps à coup sûr. Toutefois, comme tout aliment, le thé doit être consommé avec modération. Trop de thé risquerait d'entraîner des palpitations cardiaques. Pour préparer votre tisane naturelle, vous pourrez donc varier selon les goûts et les bienfaits associés à chaque plante ou épice. Vous pouvez bien entendu trouver des mélanges tout près dans le commerce ou tenter vos propres mélanges à partir de produits frais. Pour être la reine des boissons chaudes, ayez toujours de la menthe, de la citronnelle, du basilic frais ou séché. En ce qui concerne les épices, chercher de la cannelle, des clous de girofle, de l'anis étoilé, de la cardamome ou encore du gingembre. Les agrumes, c'est super important pour nos tisanes et nos thés. Il faut avoir du citron, des oranges, de la mandarine, de la pamplemousse qu'on peut utiliser hein, le zeste, le jus ou encore la peau dans nos tisanes. Merci bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans contre le froid. Should've said it before. auditeurs qu'aujourd'hui, on est au CESZAM, on est au CES 14 et on discute avec élèves et encadreurs pour savoir yane ta hiyar karatun nasu na bana. Wata uku kenan da aka fara karatu yanzu za su shiga hutun Noel muka ce bari mu leko su mu ji yane suke nan suna ta hiyar karatun nasu. A wannan fadar muna tare da Isa Abdullahi c'est le censeur qui nous accompagne. Nous avons Abdul Kader Ahmad William terminal A. Rafatou Souley, elle est en seconde A. Rauda Abdoulaye, elle est en 6e B. Boubacar Moumouni de la terminale A et Rafiat Ilbas, elle est en terminale A également. Monsieur le censeur d'Antambeyekou, il y a quoi que Karatun Alban Nakunabana euh, Karatoun, cette année, vous voyez une amélioration parce que sans Adjihan Kalin Karatou. Mhm ça va euh, de ce côté euh, ben, euh mai da su wajen karatu comment euh, les autres années mais cette année vraiment j'ai vu qu'il y a l'amélioration les enfants ont plus l'attention vers les études qu'auparavant oui. ok Abdelkader, mhm. micro -hmm. nous avons constaté une amélioration au niveau des, des cours par rapport à l'année passée. Ok. Oui. Nous avons vu une amélioration progressive, comme nous n'avons pas eu, nous n'avons pas eu de perturbations. Quelquefois, quand on va dans les écoles, c'est ce Babou, ça va. Tous les professeurs sont là, c'est OK Oui, tous les professeurs. On a tout, dans tous les domaines, nous avons des professeurs. À peu près deux. Ton, je reviens vers toi. Rauda, vous avez fini euh, les devoirs. Tu vas me dire comment ça s'est passé les devoirs, ça se passe bien. Ça s'est bien passé Oui. Vous avez fini ou pas On a fini. Ok. Et euh, dans quelle matière tu as eu euh, des problèmes Ou tu as tout cassé Tu as vraiment tout, tout, tout écrasé Il n'y a aucune matière que ça ne passe pas bien. Ah, ah il n'y a aucune matière Oui. Rafatou Oui, madame. C'est, c'est premier devoir. Premier Où Est-ce que dans quelle matière vous sentez plutôt c'est difficile Les madames, pour le moment, je peux dire que c'est physique-chimie. Mais j'espère, ouais, j'espère bien qu'on avance. Mais maintenant, là, ça va pas vraiment. Et c'est plutôt par rapport à quoi C'est une matière qui est compliquée parce que c'est à la... niveau, c'est compliqué. Oui. D'autres difficultés à signaler Et de mon point de vue, mhm. concernant la terminale, je vois pas des difficultés qui s'opposent. Ok. Parce que on ne peut pas dire qu'il y a une difficulté car nous sommes en début d'année mhm. et dans le programme, on dit tantôt ce qui est au début semble être facile. Donc on va s'attendre à ce qui va revenir après. Ok. Oui. Je vais revenir vers le censeur. Vous avez eu des échos des, des, des professeurs, des résultats de, de leurs devoirs. Aujourd'hui, vous les représentez, les professeurs. Est-ce que ça va au niveau des notes ça va cette année ou... En tout cas, euh, il n'y a pas de, plainte. Euh, et à l'allure où vont les choses, nous pensons que cette année, euh, même les privés qui souvent on a peur d'eux, à cette allure, il n'y a pas de perturbation, les, les, les cours vont normalement et les devoirs aussi. À travers les notes que nous voyons, nous pouvons même oser espérer que les privés ne vont pas nous dépasser cette année. Ben super Sur ces notes positives, bien, quand ça se passe bien, il faut, le dire aussi, hein. on va aller en musique. Je vous propose Do You Mind de DJ Khaled, Chris Brown, Nicki Minaj, oh là là, qu'on se connaît. Et on se reprend juste après. We the best music. He got Nicky, he know that he hit the jackpot. A baller tryna score, check them shot clocks. But I hit them with them brawn Iguodala blocks. Eat the cake, guinea, suck on my toes, yes. Hitting them home runs, I be like, go Mets. I want a dude that still kiss me when he mad. Type that cop me diamonds, he could miss me with them bags. Girl, we been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. Ooh, do you mind? Do you mind? Baby, you do you mind? Do, you mind? Do you mind? I'm just trying to get to know ya. Get a little closer, baby, post up. touch you there, then you know you can do better, baby. I know that it don't get no better than me. Let's not waste that time. You ain't gotta hold back. Cause once I get inside, you won't change your mind. Know that you can take it. No need to hesitate. I'm getting impatient. Yeah. I'm not used to waiting. I want you to give it to me. Come on, let me taste. Until I get enough. Hope you're ready, cause I'ma beat it up. Do you mind when I'm behind it? Know how to heat it up. I'm just trying to get to know ya, get a little closer, baby, post up. two I'ma keep my promise, never treat you like a groovy. Calamari dinners got you eating raw sushi. Still in the trap, but I like my bitches bougie. Two cups of styrofoam, excuse me, little mama. I can hold you down, be your friend and your lover. You want watches, new Versace's, you want Celine? Huh. Top back, streaming money, ain't a team. Boss. Seen the two G Wagons in my driveway. FaceTime, two black bottles by my fireplace. Huh. Fell out with your people, so you took the pictures down. Instagram ain't been the same since you so distant now. Took you shopping in other places that I won't name. First time your friends really got to see ball man. 20 million cash, seen that there with my two eyes. We the best, and I told you this back in 05. Trying to get to know ya, get a little closer, baby up. aujourd'hui, je file vers ma dernière question de cette émission. Tout, on va quand même revenir sur les éventuelles difficultés que vous avez. Abdelkader uh uh-huh. Au niveau des matières scientifiques, maths, maths, nous, avons constaté des difficultés au niveau des matières scientifiques. Maths, surtout maths, comme en terminale, il n'y a pas de physique, chimie. Nous, nous espérons que, à, à l'allure progressivement, si ça progresse, oui, nous espérons avoir quelque chose de plus mieux que Ok. mathématiques. C'est de quel ordre Vous avez besoin de quoi de, de, plus d'explications, des exercices Vous avez besoin de quoi Ou pour la supprime carrément Qu'est-ce que vous avez besoin euh, de rattrapage, oui. D'encadrement, des cours de, de, soir, des cours, euh, des cours de soir, surtout les cours de soir, pour bien comprendre, comme les heures. Bah, bah, hein. ok. Uh-huh. vous avez besoin de cours de soir Oui, de cours de soir, si nous pouvons avoir. Oui, pour améliorer. Comme les heures dans classe, ça ne suffit pas. Donc, hmm. pour le cours de soir, il euh, ça, va être une continuité, quoi. Ouais. Pour euh, augmenter euh, les trous fermés. Ça, c'est les terminalistes, hein. ils ont besoin de plus de temps. Moi, Boubacar. Et concernant les difficultés, moi, pour uh-huh. moi, je vois la difficulté comme subjectif. OK. Parce que en étant un élève de classe d'examen, on ne peut pas s'y attendre toujours de bon, de trouver les matières tellement faciles. Car on a sacrifié des temps et de, de, moments pour en arriver là où nous y sommes maintenant. Donc, parler de la difficulté. Bon, on a Hausa. A ganina. In an kawo kamar a ce akwai matsala. il yin a matsala ma mu ne za mu je mu là. ta tunda mu mun doki lokaci da waya kayan mu kai wajen da muke yanzu mhm, mhm. kenan hatta mu yi hakuri mu kama mu ci gaba da aiki mm. don mu samu mhm. don mu samu mu wuce abun ga eh, difficulty da suke nan gace matsala wannan da samu ku ciyo kanta mm. tunda matsala in ma mu muke ganin ta kamar matsala tunda wanda bai iya yake gani abun yana da yana da abun ga matsala amma in mun kamu jiki Allah ya kama mu muna yi mu yi ta a hankali kwance. ok to yanzu kamar ga dai zan ci a kara musu lokacin karatu kuna da wannan bukatar wajen lokaci in an ka ce a kara wasu ma za su ke a kara da ita abun ga ampladitan ampladitan ne da ba mu ne muke yin ta profesori su ma kamar hatta an wada musu ne haka za ku yi don kowa ya samu cikin lokacin shi ya yi nashi wajen kara lokaci mu ne 11 da muke so mu koya za mu doka abun ga Eh, lokaci na kanmu mu je wajen wanda sun ka iya mu koya wajen su ko in alta mutum yana da hali uwayen suna da hali su nemo mishi professor gida wanda zai mishi amma nan ekol ba a ce a ba kowa lokaci don kowa ya gane hatta an sani da kowa ba su yi gane tare tare a lokaci guda to yanzu akwai wani wanda yake so ya kara bayyana wata matsalar shi mai solo sansor zan mu zo wajen ku Il y a une difficulté que vous voudrez partager avec nous euh, ou vous, gérez vraiment ça va bon nous gérons ça va mais euh, nous ce que c'est un appel à tous les comment, les partenaires de l'école mhm. Je dis c'est un appel à tous les partenaires de l'école, l'État, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Chacun n'a qu'à euh, mettre sa main à la pâte pour qu'il y ait une bonne année 2022-2023. Voilà. quoi mais c'est la fin de cette première phase de l'émission Tous à la Fada. Avant de se dire officiellement au revoir, on va écouter la chronique de Mr. Oli et on se reprend juste après. Amis auditrices et auditeurs, en cette fin d'année, dans la chronique, je vous propose quelques actions à faire dans les jours à venir, c'est-à-dire les derniers jours de l'année 2022 en fin d'année, l'on fait du bilan et on se projette. En fin d'année, il est important de prendre du temps pour faire le bilan de l'année écoulée et se projeter pour l'année à venir. Il est peut-être utile de prendre du recul pour analyser les réussites et les échecs de l'année écoulée et ce qu'on peut apprendre de ces expériences. On peut aussi réfléchir aux objectifs qu'on souhaite atteindre pendant l'année suivante et à la manière dont on s'y prendra pour les atteindre une liste de tâches à accomplir pour aider à se fixer des objectifs réalisables et à garder le cap. Quelles sont les tâches à accomplir en 2023 Les tâches à accomplir en 2023 dépendent de vos objectifs et de vos besoins. Cela peut inclure des projets à long terme, des objectifs à court terme ou des tâches quotidiennes, comme le suivi de ses finances ou des efforts pour améliorer sa santé et son bien-être il peut également être utile de se fixer des objectifs professionnels tels que l'amélioration des compétences, la recherche d'un nouvel emploi, la création d'une entreprise ou encore l'amélioration des relations avec ses collègues. Et si vous êtes jeune, il peut être utile de prendre du temps pour vous définir vos objectifs, vos rêves pour l'année à venir. Vous pouvez vous fixer des objectifs à court, à long terme, tels que la poursuite d'un diplôme, la recherche d'un emploi, des voyages ou des projets créatifs. Vous pouvez également prendre du temps pour réfléchir à vos objectifs personnels, tels que le développement de vos compétences, l'amélioration de votre santé et de votre bien-être ou encore la construction de relations saines avec les autres. C'est également le moment de planifier son mariage, pourquoi pas. Une spécificité pour les formations à suivre, en tout cas les formations à suivre au Niger dépendent également de vos objectifs et de vos aspirations il est peut-être utile de se renseigner sur les différentes options de formation disponibles, notamment dans le domaine de la technologie, l'agriculture, la santé ou l'entrepreneuriat. Chers amis jeunes, vous avez également la possibilité de suivre des formations professionnelles ou des cours pour améliorer vos compétences et votre employabilité. De plus, il est possible de trouver des formations à l'étranger, comme des programmes d'échange, des programmes d'études universitaires ou des programmes de volontariat. Chers amis, êtes-vous prêts pour 2023 si oui, bah allons décrocher les étoiles. Merci bien Olivier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mun yi hira da wannan ɗaliban da mushan nasu kuma mun ji tasu ta bana na karatun nasu komi na tahiya daidai. Bana dai ana iya ta ba kamar na bara ba da bara waccan. Akwai bambanci. Yanzu za ku ci gaba da wannan hirar taku tare da abikiyar aiki ta Samira Ruwafi, ta ba Samira? on se dit à une autre fois au ZAM sur l'émission Tous à la FADA. Merci.